préparation bi ni ma ko moy mooy euh, voilà instant bi ni dugg nañ ci ñu préparation yi di li waron euh, au Rwanda Kigali mom lañ nekk di commencer fini ni donc ça se passe super bien instant bi ñu ngi ci euh, ñu ngi ci bi di Cameroun. les deux jours d'entraînement on a travaillé très très dur et je pense qu'on va continuer à travailler dur encore les jours qui arrivent avant de partir. On sait que dans une telle compétition, il vaut mieux arriver prêt. Et voilà, on a, on a un groupe conséquent, mais il faut, que, il faut que tout le monde soit au niveau et il faut que tout le monde soit prêt physiquement. Donc euh, on travaille dur pour ça et je pense que voilà, d'ici la fin de la préparation, on sera tous bien. ci préparation yi bi moitié mais li ñu def ñaari bah, écoutez, sincèrement, je, suis, euh, je veux dire que je suis euphorique. Je suis, euh, tout est positif. Aujourd'hui, je suis là. Moi, je suis. Voilà, je, suis devant une pomme que j'ai envie de croquer à pleines dents. Donc euh, voilà, je, suis venu à part entière pour emporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que voilà, je, donnerai le maximum quand je le fais aujourd'hui au travail quotidien pour être prêt pour que si on fait appel à moi, bah, de répondre le mieux possible et de représenter ce fagnon-là qu'on porte et qu'on aime tous. Euh, ouais, gis li ma leen di wax rek mooy euh, ñu continuer di jàppale seen équipe ñaanal seen équipe te ñu xam que ne ñoom li ñu bëggee ndam bi benn ñun bëgg nañ ko fukk parce que tamit yàgg na bi ñu do dalee daw ci ginnaaw euh, trophée bi nga xam ne mooy Coupe d'Afrique yàgg nañ ci topp di ci daw di ci daw di ci daw ba tey jii ñu war ci dem li leen di wax rek mooy ñu continuer supporter équipe bi sànni ñu ñaan bu baax a baax ñu dem. je pense qu'aujourd'hui on va pas se cacher on a tout ce qu'il faut pour euh, si on va là-bas sincèrement c'est pour ça on n'y va pas pour autre chose on va pas on va pas se voiler la face mais on sait que il y a un travail à faire en amont. Et aussi, on sait que c'est une compétition qui va se jouer à élimination directe. Donc, les matchs, on va les prendre les uns après les autres. Et euh, ne pas nous voir trop beaux tout de suite. Mais voilà, y aller étape étape, je pense que c'est la meilleure chose à faire et d'être concentré à chaque match et de l'aborder de la meilleure façon.